à vous, chers auditrices et auditeurs. C'est un plaisir encore une fois de plus ce matin de vous accompagner dans cette émission Le Niger sur Kalangu de ce mardi 7 novembre 2023. Une émission animée par moi-même, Mariam Adé et Rekia Arimi. Rekia, comment vas Je vais super bien, Mariam, et j'espère pareil chez toi. Alors, on a quoi au menu du Niger sur Kalangu Rekia, comme d'habitude, nous débuterons avec les flashs de formation et comme invité ce matin, nous recevons M. Ibrahim Adamou Zidane, un jeune artiste Dans ce numéro, nous aurons également la rubrique Écho des régions et qui nous amène à Agadez. Il y aura également la rubrique Hebdo, le lobby préparé par euh, l'équipe femme du studio Kalangu et notre page sport. L'édition est assurée par Adam Adawaki et à la technique Senisaka. Chers auditeurs, c'est avec les flashs d'informations que nous ouvrons cette émission. Il nous est proposé par Rafika Taher. Bonjour Rafika. Bonjour Mariam, comment vous allez les filles Bonjour, ça va bien. Alors pour ce matin, la Cour de justice de la CDAO a examiné hier au Nigeria l'affaire Mohamed Bazoum et deux autres contre l'État du Niger. Après l'audition des plaidoiries des avocats de l'ancien président ainsi que ceux de l'État du Niger, les juges ont mis l'affaire libérée pour le 30 en délibéré pour le 30 novembre 2020 pour rappel, les avocats du président déchu avaient saisi le 18 septembre dernier la Cour de justice communautaire pour violation des droits humains de leur client ainsi que de sa femme et de son fils détenus à la résidence présidentielle depuis les événements du 26 juillet dernier et la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Ensuite, le général de corps d'armée Salif Moudi, ministre d'État de la Défense nationale, à mission de travail de 24 heures au Togo. En effet, une délégation du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a été reçue hier par le président fort Nyasingbe du Togo. Le général Salif Moudi, ministre de la Défense, a déclaré être venu faire le point de la situation du Niger à son hôte togolais. Le général a déclaré, je cite, Nous avons informé le président Faure Singbe sur la situation. La principale exigence est le retrait total des forces françaises suite à un accord. Nous avions exigé qu'un certain nombre de pays soient garants. Nous avons demandé à ce que les États-Unis disposent de personnel qui disposent de personnel militaire sur notre territoire puissent servir de garant. Puis nous avons surtout exigé que le Togo, notre pays frère pour toute la contribution que ce pays ne cesse de nous apporter, soit notre garant dans cet accord. Et enfin, pour euh, ce flash de ce matin, la présidente du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, Mme Brariki Djermakwai, a reçu des contributions d'environ 68 655 000 francs CFA en espèces et en chèques de la matinée d'hier à Il s'agit entre autres d'un don de 5 millions de francs CFA en espèces du Haut Conseil des Nigériens vivant au Burkina Faso, de chèques d'un million de l'Association nationale pour le secours et l'alphabétisation et de l'Association d'appui pour le service humanitaire. Merci Rafika. Merci Rafika. Comme invité ce matin, nous recevons Baré, un jeune artiste nigérien. D'ailleurs, c'est une révélation de la première édition de Sarki Waka. Mais pour commencer, on va écouter l'un des morceaux de notre invité du jour. Yeah. Yeah. Ah. sur l'héritage. On se dire quelque part de le virage. Mais ta main de mise, à part, pas de liasque. Tellement je baisse le rap, j'ai 4, 5, 6 fils. Les ennemis ils mon rap la source de la souffrance. Derrière la scène, ils m'applaudissent avec un faux visage. Rien qui me casse le couille, moi je suis de sans visage. Je marche la tête haute, puis au de mon public. J'apprends l'avance, j'apprends l'avance, fils. Je fais le style, tu verras tout un fils Y'a pas l'avance, y'a pas l'avance, fais Faites avec Raz, nigga, tu le recrutes J'apprends l'avance, prends l'avance, fais Je fais le stade, tu verras tout ton office prends l'avance, j'apprends l'avance, fais Faites avec Raz, nigga, tu le recrutes J'ai une pute d'esprit qui vient d'ailleurs Mama pute d'esprit, ça vient d'ailleurs J'ai une petite d'esprit qui vient d'ailleurs Mama Peter and Miss Avenda, yeah. Yeah, I fell in love with the game like a hooligan. I, I swear to God, I ain't never going broke again. More life, more trips like a president. More cars, more cars in my residence. I, I fell in love with the game like a hooligan. I, I swear to God, I ain't never going broke again life, more trips like a president. More cars, more cars in my residence. Rossi, I'm a product of the ghetto. I rose from the flame with a pad and a stilo. Skip school just to ride on a velo. Stuck in the peace like my homie DJ Cello. Ray got the keys to the city. Yeah, made to Agadez, all my people looking pretty. This the life, the life that we chose. Forget about the haters, we don't care about those. Yeah. You never shine like this. Overtime, put in work, you never grind like this. For this music, I'm a menace. I can stop until it's finished. Flow harder than a furnace. You could meet me at the finish line. Yeah, you never shine like this. Overtime, put in work, you never grind like this. For this music, I'm a menace. I can stop until it's finished. Flow harder than a furnace. You could meet me at the finish line. Getting beat and that's be given, yeah. Mama, higher. Ten feet and just be giving. higher. Mama feet and just be seven higher. Seven down, seven down, so she blowed it. Seven down, seven down, the ball Seven down, seven down, what's the ever been? Seven down, seven down, how's it seem, man? C'était Mr. Barry en featuring avec euh, Rassi. J'espère que tu as aimé cette musique, Rekia. Bien sûr. En euh. tout cas, perso, j'ai grave adoré. <laughs> Après cette ciblée mélodie, revenons à notre invité du jour. Bonjour. Bonjour, madame. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Moi, c'est... je me présente au nom de Ibrahim Adam Zidia, né grandi à je suis un artiste, auteur, compositeur, interprète au nom de Mr. Barré. C'est le nom d'artiste Barré. Oui. Et depuis quand avez-vous commencé à chanter J'ai commencé la musique euh, intervalle 2016-2017. Et vous faites quel genre de musique Je fais du rap, c'est la base, mais je mélange un peu les tout. Et pourquoi le choix du rap Parce que c'est depuis l'enfance. Euh, c'est ma passion en fait, le rap. La musique en gros, oui, mais le rap c'est la base. Vous avez été boosté par, euh, je sais pas, des frères, des amis C'est ma passion vraiment parce que lorsque j'étais trop petit, il y avait euh, mes amis par exemple. D'autres, leur passion c'est, le football, d'autres c'est le karaté, le taekwondo, tout ça. Mais moi, c'est la musique. Je peux les céder les, les avec analogue. Et là, pour les auditeurs qui nous écoutent, vous pouvez un peu rapper pour eux Yeah, ok. Mr. Bar, Europe gangman je laisse personne me dominer, dommage pour tous ces négos. Cela rappel me raisonner de conseils, je ne vis trop. Petit à petit à voulu m'attendre, je suis passé pro. De rap de rap, je vidé loin de rétro. Qui vient avant d'état, trop moi je suis dans les barrages. Qui veut me faire la peau, qui vient je suis dans mon garage. Ouais, je suis défoncé, je fais pas la guerre au bébé. Tous ces lousés me rapper pour avoir un CD. Quelles sont vos sources d'inspiration euh, Sources d'inspiration, vraiment, c'est d'abord quand je pose un bon premier. <laughs> <laughs> du bon thé. Oui, un bon premier. C'est à ce moment-là que les idées viennent. Et en même temps, mon inspiration dépend de ce que j'ai vécu. C'est surtout ce qui, est, ce qui est réel, par exemple. Ce qui est réel, ce que j'ai vécu, c'est ça que j'essaie de, de travailler, de composer, d'écrire, tout ça, c'est ça. Aujourd'hui, vous avez combien de chansons ou bien disons combien d'albums Beaucoup. J'ai euh, deux albums. J'ai deux albums. Le premier album, c'est Strange MC. Le deuxième, c'est Apocalypto. Donc, en gros, si je vais vous calculer le nombre de mes titres enregistrés, disponibles, opérationnels, ça atteint le 40 et quelques, pour ne pas dire 50. Quelle chanson t'a fait connue du public Et la chanson, parmi les sons, le premier son, c'est euh, Strange MC. C'est même euh, l'extrait de l'album parce que c'est, moi j'ai eu vraiment de la chance. Depuis le premier titre, vraiment les gens ils ont boosté, c'est parti déjà. Presque tous les quartiers, toute la région, ils ont écouté, ils sont au courant. Donc moi je pense que c'est, c'est strange aussi. Alors, euh, tu peux chanter pour nous Dieu, quoi qu'on pense que la vie nous a volé on finit toujours par s'accrocher à nos réveils. Alors je prends mes mots à tout sens. et je vous dis à la vie, à la mort. Merci alors, oui, merci, ça le fait quand même. Maintenant, parle-nous de tes difficultés. As-tu rencontré des difficultés dans ce métier Oui, surtout euh, les moyens. D'abord, quand tu vas faire de la musique, il faut moins un travail auquel tu peux euh, gérer certains trucs. Par exemple, quand tu veux acheter une chanson, c'est de l'argent. Quand tu veux faire des clips, c'est de l'argent. Quand tu veux t'habiller normalement ça demande de l'argent. Ça, c'est numéro un. Numéro deux, avant d'être euh, connu dans ma région, on nous laisse même pas prester sur scène on vient sur scène, on cale tout, ils écrivent nos noms. Mais finalement, ils appellent tout le monde. Nous, on nous ignore. On a été ignorés au début. J'ignore pourquoi en même temps. Mais là, finalement, Alhamdoulilah, tout se passe bien. Et ça sent vraiment la réussite. Vraiment, ça n'a pas été facile, mais ça va, on n'a rien lâché parce qu'on n'a pas commencé. Moi, la musique, quand je fais, je vous ai dit, c'est une histoire de passion qui a été mélangée avec la patience. Donc euh, là, je commence vraiment, ça développe, ça développe vraiment. Et ça va aller, Inch'Allah. Mariam, avant de poursuivre notre entretien, faisons un autre tour musical avec le son L'amour de ma vie de Massa Odo S. Acharoua en featuring avec Ahmed Delta. DJ and the cikin raina avis de Ahmed Delta et Massoud Acharoua. Retour au studio avec notre invité du jour. Yachi y a organisé des concerts à Agadez Oui, lorsque je fais mon concert Strange MC, je fais un concert là-bas, les gens ils ont vraiment répondu, ils sont sortis, ils ont soutenu. Merci pour tout. Deuxièmement aussi, le premier concert que je fais c'était à l'Alliance française, mais le deuxième je le fais à MJC. Alliance ça dépasse, euh, c'est dans les 300 et quelques places. Mais la MJC, lorsque je vais faire le deuxième, c'est dans les 1000 et quelques, à peu près 3000 même si je ne me trompe pas. 3000 places. Et c'était plein. oui, et vraiment les gens, ils ont répondu. Maintenant, je ne sais pas, je ne connais pas trop les rappeurs du Niger, mais quand même, si on t'a dit de collaborer avec un, ça serait avec qui Tu veux chanter avec qui Je ne sais pas. Euh, moi, je... c'est les gestes qui comptent pour moi. C'est les gestes qui comptent. C'est-à-dire C'est-à-dire, voilà, moi, personnellement, je, me... je n'ai aucun problème, je veux collaborer avec tout le monde. Mais d'ailleurs, sais pas quelle est la réaction des gens. Moi, personnellement, c'est tout le monde. De collaborer, on est tous euh, presque pareils, si je peux le dire. Ils seront euh, tous les bienvenus dans ces oui, cas. Voilà. As-tu un dernier mot à l'endroit des jeunes, bien de la population Oui, euh, le dernier mot que je veux dire, c'est, c'est décider. Laisser les filles plutôt partir à l'école. Laisser les leur choix de choisir ce qu'ils ont choisi. Et quand on a un rêve, on n'abandonne pas. Quand on est prêt à gagner, on est prêt à perdre. Tu as fait des featuring Eh oui, j'ai euh, à peu près trois featuring. Le premier featuring, je me rappelle bien, c'est avec euh, Rim Omega. Et c'est mon producteur, c'est lui vraiment qui m'a produit, il m'a vraiment aidé, il m'a beaucoup appris dans la musique. Le deuxième featuring, c'est euh, avec Rassi. Lui, c'est un Nigérien, d'origine nigérienne. Actuellement, il est au Royaume-Uni. Un jour, il m'a écrit sur Instagram. Il fouillait dans mon story, il vie. vu. Après, il m'a écrit, il m'a dit Salut, tu vas bien On, on s'est commencé à se saluer. Après, il m'a dit, si ça ne me dérange pas, on peut toutefois essayer quelque chose. Je lui dis, bien sûr, il n'y a pas de souci. Il m'a envoyé sa prod, l'instrumental. On a fait le featuring, vraiment, ça marchait. Et le titre, c'est ailleurs. En parlant d'Instagram, tu peux donner ton compte Instagram pour que les auditeurs puissent savoir avoir et liker. Mon Instagram, mon YouTube, mon Facebook, c'est Mr. officiel. Alors, est-ce qu'on peut savoir euh, de la famille, tu es le seul chanteur ou bien tu as des frères qui chantent aussi Non, je suis le frère de Eza. C'est un guitariste. Euh, il a, son groupe à Toulouse. Waouh. Ikali, le deuxième. C'est le petit frère de Eza. Ah, il était passé ici, on a fait, oui. Et ils font de la guitare. Et moi, j'ai choisi le rap. Et go, je saute les barrières, store de Gobillé. Par ça, le je mange avec des gobelets. Je ne cap ni le paro ni les médicaments. On encaisse de grosses gaines de bol venus d'Allemagne et pas de la guerre. On a l'habitude. Maman prie tous les soirs pour nos inquiétudes. Marie à la street, des petits MT, type, de type qui fait une pour des petites. <coughs> Alors, c'est sur ces son qu'on va te dire au revoir, ah. Barré, et bonne chance pour la suite. À présent, marquons une petite pause avant d'attaquer notre rubrique hebdomadaire. Dans la rubrique hebdomadaire de ce mardi consacrée à la santé, on va parler du cancer du col de l'utérus, qui est un cancer causé par un virus, euh, le HPV, euh, humain papillomavirus. Et, et, seul le cancer au monde qui peut être évité selon les spécialistes. Écoutons les explications de Mme Bachet, docteur Rabo Leila, médecin responsable médical à SOS Cancer à Niger, au micro de Zainabou Abdou. Docteur, qu'est-ce que le cancer du col de l'utérus euh, le cancer du col de l'utérus, euh, c'est un cancer qui est dû d'abord par un virus qui s'appelle le HPV donc euh, un virus. Ce HPV s'incruste au niveau d'une zone qu'on appelle zone de transition. Il crée des lésions, ces lésions appelées lésions précancéreuses. Si elles ne sont pas prises en charge, donc ce sont ces lésions qui évoluent avec le temps pour devenir un cancer au niveau du col de l'utérus. Comment se manifeste le cancer du col de l'utérus les signes cliniques, euh, généralement, on a des métroragies, c'est-à-dire des saignements. Des saignements, soit euh, post après un acte intime, ou bien lors des toilettes, les femmes vont rapporter qu'elles ont des saignements là, ou bien des douleurs pelviennes ou abdominaux, donc à euh, ténas. On a également des hydrorées, ce sont des pertes un peu fétides qui sentent mauvaises. Donc là, devant ces signes-là, on fait un examen chez cette patiente généralement quand on procède à l'examen, on remarque euh, soit une masse bourgeonnante ou une ulcération au niveau du col. Comment se fait la prise en charge ça dépend des stades, c'est à des stades édifiés. Mais un cancer du col euh, qui est vu il est rapidement pris en charge et la prise en charge, elle est efficace. Pour le cancer du col, qu'il faut retenir, c'est un cancer et d'ailleurs le seul cancer au monde qu'on peut éviter, qu'on peut prévenir. Le seul, hein. parce que au stade de lésion pré-cancéreuse la femme se présente pour un dépistage, on détecte ça, on fait la prise en charge de ces lésions, on détruit ces lésions, les lésions disparaissent. Donc, ça permet à ceux qu'on évite leur évolution vers le cancer. Par exemple, une patiente qui vient pour un dépistage, on détecte ces lésions, on les prend en charge c'est fini. Et ce serait presque impossible qu'elle fasse le cancer. Mais le souci en est que les femmes, euh, elles ne viennent pas pour le dépistage. Quand elles viennent au stade de ces lésions, facilement elles sont prises en charge et les lésions sont détruites et on ne parle plus de question du cancer. On fait la surveillance. La patiente revient régulièrement pour un contrôle. Et quand c'est au stade de cancer, comment se fait le traitement Le stade de cancer, c'est les trois types euh, de traitements qui sont comme pour le sein. C'est soit la chirurgie en fonction du stade, la chirurgie couplée à la chimie ou bien la radiothérapie. C'est les trois formes de traitement. Et tout comme le cancer du sein, il peut aussi avoir des complications Bien sûr, il peut aussi avoir <laughs> des complications. C'est pour tout genre de cancer en fait c'est au stade de métastase, il ah, n'y a plus rien à faire, on fait un traitement palliatif. Est-elle héréditaire aussi Il y a toujours le facteur héréditaire qui est incriminé, mais pour le col, c'est surtout le contact avec le virus HPV. C'est ça, parce que c'est le, le, le, virus qui donne les lésions et c'est les lésions qui se transforment en cancer. Et comment nous rentrons en contact avec ce virus La première voie incriminée, c'est la voie sexuelle. Donc, euh, il y a l'homme qui peut euh, contaminer sa femme. Lui, il est le vecteur, genre, il porte le virus sans pour autant avoir des signes. Il n'y a aucune symptomatologie chez l'homme, mais lors d'un rapport sexuel, il peut transmettre ça à sa femme. Voilà. Il y a aussi euh, par voie hum, verticale, lors de l'accouchement, la mère qui a ce virus, elle peut le transmettre à son enfant au moment de l'accouchement. Il y a aussi le risque euh, dans le milieu, milieu hospitalier. Par exemple, nous, les personnels médicaux, quand nous, utilisons les objets qui sont un peu contaminés, quand ils sont mal utilisés, nous pouvons nous contaminer à travers ces objets-là. Donc, euh, question de précaution et de nettoyage aussi des matériaux médicaux. Comment prévenir le cancer du col de l'utérus donc la prévention, euh, c'est le dépistage. Il y a le dépistage qui est primordial. Avec le dépistage, on peut prévenir. Il y a aussi maintenant l'avènement du vaccin le vaccin contre le HPV qui est disponible. Il y a un vaccin qu'on fait aux jeunes filles de 9 à 14 ans. Donc, en fonction des, il y a des doses également qu'on fait des rappels. Donc, ça protège, ça protège contre le, le risque en tant que tel. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Rekia, une autre tournée musicale avec les son Niger Kassarmou de l'artiste Ahmed Delta. Niger Kassarmou, Niger, Niger. Nijar, uwa gare mu. Nijar, Nijar, Nijar, gata gare mu. Nijar, Nijar, Nijar, mm, farin cikin mu. Nijar. guje shi chanteur de musique Hausa le plus célèbre des Kanouid du Nigeria. Ahmed Idrissa, plus connu sous le nom de Ahmed Delta, c'est un homme qui a attiré l'attention de nombreuses personnes avec son style de musique moderne. Le chanteur réside à, de l'état du Kano, mais né dans l'état de Delta au sud du pays et originaire du Niger. Actuellement, il est en tournée quelque part dans, dans la région du Niger. C'est incroyable à quel point ces fans sont si enthousiasmés par ces sages. Niger Niger Niger Niger Après cette tournée musicale, on passe à l'école de région et direction Agadez, capitale de l'Aïr. L'accès aux contraceptifs est important pour les, pour les familles qui souhaitent espacer leur naissance. Cependant, à Agadez, nombreuses sont les femmes qui ne respectent pas les consignes des sages-femmes concernant la pratique des différentes méthodes contraceptives. Notre reporter Tila Amadou a visité quelques centres de santé pour faire la situation de la fréquentation des femmes et connaître les problèmes auxquels font face les agents de santé. Rishin biyayya ga likitoci ne yadda za a yi amfani da maganin futu kan jefa wasu matan masu son sanya sarari tsakanin haifuwa cikin matsala. Inda likitocin a ta bakin Madam Habu Sakina likitar mata ce a karamar likitar birnin Agadez kokawa ta yi da yadda matan ke sakaci wajen rike takarda mai nuna kwanan wata da ma nau'in maganin da mace ke ɗauka da ya kamata matan sun rike da kyau da ma yadda suke sakaci wajen shan maganin. Ga abin da likitan mata Madam Habu Sakina ke cewa. In ka zo an duba ni in ka aire shi in fish a cika karne a cika fish kenan wannan matsaloli muke so mata su gane ita wannan karni da ake ba su ake rubuta musu su riƙe ta da muhimmanci tunda kamata a ce karni kana iya goyo uku hudu da karni in baka badda ta ba so ɗaya ake fish kenan in ka da karni mana fish ɗinka ya ɓace kenan aikin ba zuwa daidai sai a ga mutum kama wani aka zo supervision a gani kama abandon ne a lorke mace babu ne mana fish ɗinta ina za a samu ta ko miji ya balagur wata ɗaya wata biyu kar ka fara shan magani tana in ka bar maganin wannan na futu kenan lokacin da mijinka zai zo da wannan kwara guda kin wani baya kare ka Madam Habu Sakina likitan mata ce a karamar asibitin CSE Center ta faɗi kalolin magunguna na sa sarari tsakanin haifuwa. Eh maganin futu akwai kala na sabon goyo daga haifuwa zuwa wata shida. Bayan shi akwai daga wata shida zuwa kuma har lokacin daga duka microgynon kuma kin gani akwai allura mai so akwai tiyo akwai na tuyo na shekara uku akwai na shekara biyar kuma akwai na cikin ma'aifa da ake sawa diyu ake ce mashi dispositive intrauterine shi ma ana sawa shi kuma shekara goma sha biyu ce shi ma ba wata matsala gare shi ba shi aikin shi ne muhimmanci ma bakin aikin shi bakin cikin ma'aifan ne shekara goma sha biyu ne amma an kana so a shekara biyu a shekara biyar lokacin nake so kake san ciki sai ka zo a jaye maka ba lalle sai ka sha biyun ba. lokacin da Maryama Haruna ta fara jin rashin lafiya bayan tana shan maganin futu ta zaci matsaloli ne da kwayoyin hana daukar ciki suke haifarwa waɗanda ta sha amma sai aka gano tana ɗauke da ciki matar mai shekaru arba'in yanzu tana da 'ya'ya biyar ta karyata tasirin maganin maganin a baya kasancewar ta yi ciki kuma tana shan maganin futu wanda daga baya ta gano laifinta ne. To ni dai miji na direba ne dan tahiya na. To yanzu in ya tahi ina shan maganin ganin sa sarari da ya daga sai in bar magani. Abu ya kawo matsala daga ciki ga goyon ɗauki abin da muhimmanci ba. Ashe matsala ni ce matsala ni ce abban. fahimci abin ban ɗauki magani da ban fahimce shi ba. Studio Kalangu ya kai ziyara a ƙananan asibitocin da ke birnin Agadas cewa da likitar da manita da ta gari inda ya tattauna da wasu matan da suka je ɗaukar maganin futu. Aishatu Ali da na tarar da ita a ƙaramar asibitin unguwar Dagmanat a kofar ofishin likitar mata don karɓar magani ta faɗi mahimmancin ɗaukar maganin futu a gare ta. Na zo ne ɗaukar magani na futu A gaskiya iya da mahimmanci sosai da sosai saboda iya da mahimmanci ka samu ɗanka ya samu ya sha nono iya daidai gwalgwadon lokacin da za ka yaye shi. Kenan in kana so lokacin nan kana iya ka ajiye kuma in kana so kana iya ka bari lokacin da kenan kake so ka ɗan samu ciki ko ma'aifa ta samu hutawa a dan kwana biyu kuma sai ka sake ɗaukar wani ciki ko tattalin takarda mai nuna kwanan wata da bin umarnin likitoci ne da za a yi amfani da magungunan sa sarari shine hanyar da ya kamata matan sun rike da kyau don biyan bukatar kansu Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. C'est le moment pour nous de recevoir Adam Sariou pour la partie sport débutant avec un mot de taekwondo où un jeune Nigérien a décroché une médaille d'or au championnat d'Afrique. Eh bien oui, il s'agit du jeune Nouridine Isaka, 58 kg, champion d'Afrique de sa catégorie au championnat d'Afrique de taekwondo Abidjan 2023. Pour rappel, le jeune Nouridine Isaka est âgé de 18 ans et il pourrait être le digne successeur du champion olympique Abdulazak al faka Adam, après, les taekwondo, parlons à présent du sport roi du Niger. Eh bien, je suis sûr que nos auditeurs le savent, il s'agit bien évidemment de la lutte traditionnelle. En effet, la semaine passée, le ministère de la Jeunesse et du Sport a rendu public la date de l'ouverture de la quatrième édition du Sable national de lutte traditionnelle, qui se tiendra du 22 au 31 décembre 2023 à Gadeux sous le thème Sauvegarde de la patrie. Eh bien, certaines régions ont déjà commencé les préparatifs. Il s'agit de la région de Difa. Précision avec Hassan Fantagana, secrétaire général de la Fédération régionale de lutte au micro de notre correspondant Guidi Abdraman. Comme c'est des éliminatoires au niveau régional, nous n'avons pas voulu appeler de Difa, de Gingimi ou Bosso. Donc nous avons fait eh, quatre poules, équipe A, B, C et D, pour vraiment montrer aux différents présidents des districts que ces éliminatoires que nous comptons faire, c'est pour la région. Donc souvent, certains responsables, quand ils viennent avec euh, leurs lutteurs et que par hasard, donc ces lutteurs-là n'arrivent pas à passer donc ils font tellement de bruit. Donc pour euh, négliger ces phénomènes, nous avons fait des équipes et les équipes l'avons se rencontrer jusqu'au mercredi. Donc les éliminatoires, c'est du 5 au, au 8, Inch'Allah. C'est 20 lutteurs qui vont se croiser. Nous avons beaucoup attiré l'attention des différents acteurs que ces éliminatoires doivent se passer dans de très bonnes conditions et que les meilleurs gagnent. Eh bien, chers auditeurs, c'est sur ce mot de lutte traditionnelle que prend fin cette page sport. À demain pour un autre numéro avec Hassemi Grouza. Bye bye. Merci, Merci beaucoup, Adam. Après les sports, nous enchaînons avec la rubrique à portrait. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une femme leader et engagée dans la défense des droits des femmes et de la femme Nafisa Idé, la coordinatrice de l'ONG FAD, Femmes et Développement. Portrait réalisé par Kiarimi Rendi Aoussa par Samira Rouafi. Hajiya Nafisa Ide tun daga makarantar sakandare take cikin kungiyoyi kuma ta riƙe mukammai da dama. A yau Nafisatu tana ɗaya daga cikin mata da suke jajircewa wajen kare hakkin mata da kwato hakkin mata. Sha'awar da take riƙewa tun tana matashiyarta ta faɗa mana menene dalilin da ya ingiza ta. Abin da ya sa na mai da hankali kan al'amarin mata shine ganin yanayin da mata suke ciki yanayi ne wanda ba shi da daɗi ko kaɗan kuma yana son taimako idan kuma na duba cikin iyalina ina da al'amarin musgunawa da dama tunda uwayenmu ba su samu rayuwa mai daɗi ba cikin gidajensu na aure wannan duka shi ya sa na mai da hankali ni ban girma ba gaban mahaifiyata amma duk lokacin da na zo hutu wajenta sai in ga cewa ga mace nan gabana da bai kamata ba a ce ita kaɗai ce take nan tana gwagwarmaya domin samun abin da za ta yi rayuwa da shi ita ce uwa ita ce uba nauyin biyu duka a kanta yake mace ce wadda take bani ƙwarin gwiwa A shekarar 2009 ra'ayin girka kungiya ya zo mata. A halin yanzu Nafisatu Ide ita ce babbar daraktar kungiya mai zaman kanta Farm Action et Development FAD Niger. Da muka soma girka wannan kungiyar tamu tare da abokaina lokacin nan ina gidan likita kaka ta ce ba ta da lafiya an kama ta likita. Ban iya zuwa gida sai in kawo kwamfuta ta da takarduna in kwana ina aiki don saboda in shishirya takardun. Yau FAD tana kumshe da ma'aikata masu aiki sosai tare muke aiki. Duk wani ci gaba da kuke gani ba hajiya Nafisa ba ce aikin mutane da dama ne abinda muke yi shine muna goya wa mata baya muna waye musu kai akan al'amarin mata muna kai koke-kokenmu ga ƙasarmu da ma ƙasashen waje don mu samu ganin cewa mata sun samu shiga cikin al'amarin yanke shawara da kuma kawo su cikin al'amarin zaman lafiya muna sa mutane gaba misali kamar cikin makarantu muna ɗaukan yara 'yan mata mu ɗora musu nauyi da za su yi ƙoƙarin su kawo ƙarshen cin zarafi cikin makarantu muna muna da ƙungiyoyin 'yan mata da dama da ONG fada ta girka. Muna aikin hannu, muna ba wa mata waɗanda suke wuraren tashin hankali da kuma waɗanda ba su da ƙarfi, teloli da injinan niƙa don su samu su ci gishin kansu gobe. Akwai kuma jam'i'un siyasa da muka ɗoki mata da dama don saboda mu waye musu kai don su kawo nasu ƙoƙari cikin jam'i'un siyasar. Nafisatu Ide ta ce ta gamsu matuƙa da sakamakon da aka samu daga gwagwarmayar da suka yi. Euh, na ji daɗi sosai ga sakamakon da muka samu. A yau idan aka duba cikin ƙasar nan da ma ƙasashen waje idan za a kawo batun ƙungiya biyu ana ɗauko batun ƙungiyar FAD idan bata zo ta farko ba ta zo ta biyu. Muna da aiki da dama da muke yi musamman ma ga wannan zaɓen da zai zo. Za mu yi ƙoƙari mu ga mun kawo namu ƙoƙarin yadda ya kamata. Yau idan aka duba za a ga an samu ci gaba sosai. Bana ce ba fad ce, amma ƙoƙari ne daga mataimaka da gwamnati da kuma ƙungiyoyin fararen fula. Muna da matsaloli da dama da muke gani, wanda bana iya zana su ba. Yau idan aka duba, kungiya karama ta tashi ta girma don saboda ta ciwo kan wasu matsaloli da dama ne mu gare mu ba ma ce ba matsaloli ne tunda yau in matsala ta tashi aka ciwo kai zan iya cewa ci gaba ne abokan aikinta Amina Bukari, mai kula da al'amuran hulɗa da ta wusayi Sayiza Abdulkader, manajan dabaru da tsaro a kungiyar FAD sun yaba da jajircewar Hajiya Nafisatu Ide. Madam Nafisa mutum ce wacce san ba ta son wasa da aikinta. Tana da ƙwarewa sosai. Akwai raha gare ta, amma a fagen aiki akwai mai da hankali. Don duk wani wanda yake aiki tare da ita shi ma ya tsaya aiki. Ni kam tana birge ni sosai. Don aikin tana daga cikin ababen da ke bani ƙwarin gwiwa, kuma bana son in bata kunya. Ah, Ni kam ina ganin aikinta mai kyau ne kuma cikakke kuma tana kama min wajen da samu kwarewa tana mai da hankali sosai akan aiki tana kaunar aikin da aka yi da kyau tsakani da Allah a takaice mutunci mai kokarin inganta komi kuma a fannin zamantakewa babu kamar ta. In ji Hajiya Nafisatu Ide, ya kamata mata su yi imani da kwarewarsu da haɗa kansu don girma tare. Une autre tournée en musique avec les sons Soya zuma du Sultanat de l'Aïr. worship. Jojo présence que les femmes du studio Kalangu nous ont réservé. Et la cuisine doit être dans une maison, l'une des pièces les plus propres, car c'est tout. Et car tout ce qui sort va dans la bouche. Vous l'avez compris, les lotis d'aujourd'hui mais l'accent sur la propriété, l'hygiène de la cuisine. On écoute Rekia Arimi et Samira Rouafi. Let's see. Loti. Loti. Loti. ngwago wote fa ai man bai ga bikin yakin nan nan ne bai di te irwo nodin hara irkin sino irko bai un peu borga halal namba ba hawi ifo wani wani o haifunan tai wannan da irko to to gambi gambi ifo no bani ifo gadunin hayya wallan ne di. ni godi ni godala lamu ifo na te mutkan gwada wo goda ya ne ifo no ni woni gogadi ai wai sigi fahamni se ni wai su bai hannu go bani son sigi di kan gwada wo zibi zibo wo gano ni gogwai. <laughs> ni mo mantakan sai da kese no ai siyaga ai chaga wala mantiya dinu ni gitari gun matkan zibo wo ba gwada lawo ga aig be kaman tun kuna hine ngono na gwada lawo zibiya kine ta sai wo kul kan gogi siga furfur ga sayya sayya nan kulu iga zai gane ni to handu wai kan nin faini mu ta sai ni hey bon zai ga kyaro ni sidi kan bar kul sinu kan gaiga dai funu goyodo aino zankai salo aino windo salo ya walla sin da dam hayo kan ga gine margu margu eh irko begi ni tension tunan di borra ni sindi lokaci koyni mo himgane windo woga fuwo walnan gizo kan him ga hagoi dano ga bisaya kul zaman wagi za da fatta ne kalmera ni lakal sibatun ni wani ga hamba no den almiya lo wano se ifo ga katti ta sanyi miyan daga hamba ni koi ne haye wo dumi kan nigiti janga windi salu yan walai ne ni wani kwa dala kan nugo nan zibira wani ga hinga nan zibi zibai wo mu koi dogi dogi zayin fuyon ku im ka ga kwale ngware ga wadin muna aga mate gundukar wal dogi dogi zayin mu koi duwara mhm ome oh, to mata na igite ai muduga ai wani gwadala di. to ne bai nan kan dogi dogi zai gitar gaba nan kan hari ga kaino da nan kan tayandi tayandi gono ko ni mu haikul kan ga tizibi ni himga mogan da nin dinga baga dake ma zai fis mun yan wa kan goga gisin girga kan da ni gunu mu zai mukan busan bu dai gin san ni gin gadan hal ya hare amma mogi ni amma mogi da nan kan ne ga dake wadin gana zibi zibai da kwari haikul kan ga ti kwari iska nan wago do hare wai wai wai wani kulu ome oh, mafanguni wani gahan bano din wani ize wani zam gahan bani wa ba hawa babari aba hm. to ai gidi mutkan ai gite wallahi ai bai dai kan ai bon fargandi nin dai no ya kal haifu nai ni wanda ke amma ni si ba goikin di ha hai a to ya ga. a to ya dimme didi nin tagai mazai imin logo amma di ka gidi nan kan ni gidake kai kas aigo hangan nise yamar foyen mono ga kindi tondi ni gingi sintinda gine kulkan ni bai kan iga tasin yuman dano ni me gisi nan kan iga goidai ni mahim gi gisi nan kulkan ni ba nan kan ni gin wagai gisi wagai kogai maze mu ma kayan da wagi zai go kon kon koyan ra Ah, ni im gisi sino nango hanno im yeg nangu salu im cinga habu kanga nan waga kanga murmundi ni isi bagu nango ga sa kufa ima kwarin da haifuwancin dukkan dinga koi ne nimnan gizibi margu kalama baya kine Hmm, ai yarda niga. Ine ai kyora ine cimciyan su kyokta ka. Ai gabe kan wallahi ni gogoyi a ga taban di mine nin ban wadi nim ye ka ga fu ko ne ye goy foyente. Amma ni gin goy di bicarbonate wal vinegar kwara wal mu lemu kaina nimi dan charra har kan su dungu gumra nim tonton ciri ni fu. Wadin ga mani mani din kulka ni se ta sai ga abban sadin da ni gaban ni goyo hmm haya ga himan da kan ga fala amma ai ga kokari da yadin da ai mate ai ga kokarin mo gai ta sai hananan di zadir hino gaban madalle cira wani ga bori han ga bayin ma da yano ya wadin gano ni yalo ta ga ko bai ni mo <laughs> <laughs> to yamma ai sabu ai sabu mise da yamma raiwa kan ne no da irkoi ba ai wani la siye ga zibi koi ne ni siye ka gagar yaki ne wadin bisa don sub sub da ni gidi mai gida kan da furtun ta eh ni to nan kan sikana <laughs> Nous allons recevoir Asma Nashina pour la culture linguistique. Il est journaliste traducteur en Hausa au studio Kalangu. Aujourd'hui, il va nous expliquer le mot résilience. Bonjour Shina. Merci, bonjour Rekia, bonjour euh, Mariam. Mariam. <laughs> bonjour. Effectivement, donc euh, le mot d'aujourd'hui, c'est le mot résilience. Donc c'est un nom féminin, on dit donc la résilience ou bien une résilience. Et la résilience, c'est l'aptitude d'une personne ou d'une communauté, à savoir surmonter des événements désagréables ou traumatisants, en vue de retrouver son équilibre et de pouvoir reprendre positivement le cours de sa vie. Une personne résiliente est à mesure d'affronter les événements difficiles qui se présentent sans s'effondrer. On peut dire aussi que la résilience est la capacité d'un individu ou d'un groupe à surmonter de grandes difficultés et à s'épanouir en présence de grands risques. Il peut s'agir d'un traumatisme, de l'extrême pauvreté, d'une maladie grave, d'un deuil ou d'autres problèmes. On peut citer comme synonyme de mots résilience, endurance, résistance. Nous dan dans resilience da faransanci juriya wato mutum ya iya kamar ya kasance ko mutum ne ko kuma al'umma ta iya daurewa a gaban wasu al'amura masu wuyar rayuwa eh, saboda mutum ya samu daidaituwa cikin wato hankalinsa mm-hmm. har ma ya ci gaba da rayuwarsa irin yadda ya kamata ba tare da wannan al'amarin mawuyaci ya samu tasiri a kan rayuwarsa ba ana iya cewa kuma ita wannan juriya kamar mutum ko kuma eh, gungun mutane ya kasance suna iya fuskantar wasu al'amura masu matsala ko kuma su rayu cikin wannan matsala amma ba tare da wani abin ya kama su cikas a rayuwarsu ba kamar ya kasance kamar ba komi da kwa kamar suna rayuwar su kullum duk da cewa akwai waɗannan haɗaruka mm-hmm. tana yiwuwa kamar mutum ya samu wani mummunan labari haka wanda zai taɓa da hankalin kwakwalwarsa ko kuma ya shiga cikin wani matsanancin talauci na tsadar rayuwa haka mhm. ko kuma na wata eh, babbar cuta ko kuma eh, mutum ya samu labarin wata rasko hakan ga mhm. ko kuma dai wasu matsaloli hakan ga na rayuwa amma ya kasance duk da hakanan mutum ana ganin kamar ya ci gaba da rayuwar shi kamar dai eh, mm. waɗannan abin da ba same shi ba ya jure ya samu juriya mm. ga da irin da za a ɗan kwatanta wannan kalma ta resilience. Godiya muke Shina. <laughs> Merci China pour cet éclaircissement, chers auditeurs auditrices. Si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, Fulfulde, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages au 82 89 89 64. Écoutons les messages beaucoup de nos auditeurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ni ne Abdulmat Allabi mai saye da sayar na abinci haka a bande eh ni ma abucin sauraron studio Kalangu ne ta hanyar radio Ikrawa a gaskiya mu abin da ya burge mu a wannan tafiya babu kamar da ba da ake ta mata sannan juha juha muna ji eh yana burge mu wannan sha'anin na sosai sosai bayan nan kuma akwai magazin nasu da suke yi dan lokaci kaɗan kin wannan to shi ma yana ƙara sa mu ra'ayi mu sauraro da farko ina gaida murtala wanda yake nan bande da musha abda ali wanda yake karbala hulani salamu alaikum suna na murtala su da yake na bande ne to wa abin da yake burge mu akan wannan shiri na studio kulangu wannan shirye-shirye na ku iri-iri na harshe-harshe da kuma irin wannan shirin naku na irin na shirin matasa nan da debakin da ake yi duk abubuwa ne wanda suke gamsar da mu su ne suke ba mu karfin gwiwa akan sauraron kuma gaida eh, abokai na arziki wanda take su ne su ma'aru da su abdulazizu su isa ka wannan studio kalan bura kuma taron hire barkan da hunkuna zaro kana irgo irgaran fo irgan bani ha irgaran fondo go modu ko karo da tanga mo kanga arango wati kulu kanga arango ga nigeria ngai manda me kanga wani zalla gora ango ino albaharu ce ke te tabbatan dai duka kayan burai ga ba burai kan go ni zalla bora burai kan go jaspora labora irgaran fondo go gumo aino sumna ko hamani chimba kango newo go yirde ko wara ɗan cendu labora sintina ay go ga director radio ya da lol kango noon balla yara go ga hirbani aygo ga go yirde bura me hirbani nganda dan cendu zai nan kulkan kini go aygo gi hirbani go ga salamika iri go garan fonda go ko kaw kanga arango wati wadin banda mo ay sindin sai da abdou winditan kango ga bore no bon ferai, da do da lol radiya bon kango noon balla yara aino hamma halidu balai yara ta kazar labora wallahi si don kalangu labarai do hare igo ga mare labarai gumgumo ko kanni se bon fere de labarai to tare wone de bindora wone na muna mai do ko ne ye kanni se bon fere kan gumgumo igo ma marka ga gunda zami so kalangu labarai do hare sanni kurkan ga ma a labaro gono ya din ga igo ma se gumgumo ya din no igo ga hangan mo ko ne

Auditrice, ici prend fin cette émission de ce mardi 7 novembre 2023. Vous étiez en compagnie de Mariam Adé et moi-même Rekia L'édition a été assurée par Adama Dawaki et la technique par Seni